aux environs de 8h24, euh, deux individus armés euh, se sont dirigés vers le CSI de Dingazi et ils, ont pris le véhicule, l'ambulance. Ils étaient à moto ou en véhicule Ils étaient à moto. Vraiment, ça, ça, impacte vraiment de, façon négative les urgences puisque euh, même hier, l'ambulancier s'apprêtait à à évacuer des malades au, au, district de Wallam. Lorsque ces individus-là étaient arrivés au CSI, ils ont demandé à l'ambulancier, en tout cas, de, de faire descendre les malades là et ils ont pris, pris l'ambulance. Et c'est des enfants qui souffrent d'anémie déjà. Vous voyez ce que ça fait comme mal. Au moment où les, les motos ne circulaient pas dans la zone, c'est la seule ambulance que, en tout cas, euh, la, euh, dont la, la, commune dispose. Il y a jusqu'à quatre CSI dans la commune. Il y a le CSI de Bingazi, Diababeri, Parka et Pazok. Vous voyez Ils dépendent tous de la. oui, Ils, dépendent, ils dépendent tous de la commune. Ils sont tous de la commune. Avec la, même ambulance C'est une seule ambulance pour, pour toute la commune. Il n'y a pas, en tout cas, une autre ambulance. C'est la seule ambulance dont dispose la commune. Est-ce qu'on a plus d'informations sur ces individus ou on n'en sait pas grand-chose à l'état actuel des choses Donc, dans le cas de, depuis hier, euh, aux environs de, 8h45, nous avons appris que, cas, la poursuite, euh, en tout cas, est, déjà enclenchée. Ils, sont en train de le poursuivre, mais en tout cas, jusqu'à jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une suite. pour l'instant, en tout cas, tout ce que je, peux euh, ajouter, c'est que nous, notre souhait, en tout cas, est que euh, ces individus-là soient, en tout cas, rattrapés. Notre souhait. Oh. et nous souhaitons aussi, en tout cas, avoir euh, une autre, sinon d'autres ambulances euh, pour vraiment euh, prendre en charge en cas les, les éventuels malades. Puisque sans ambulance, en cas, ça va jouer cas de façon négative sur la, la communauté.